ñu di ngi laaj Pape Alé ana si yan euh, modalité lañ ko war daal di war mën a jàppaat bii pas est-ce que nekku interview yi nga xam ni itam mu koy def moo daal di xaw a déranger. man j'ai l'habitude de dire que euh, ndeysaan euh, Pape Alé Niang c'est le Guy Marius Sagna de nous les journalistes mais bien sûr parce que Guy Marius Sagna moom la ñuy jàpp génneaat ko jàppaat ko jàppaat ko jàppaat ko ñun journalistes yi Pape Alé mooy suñu Guy Marius Sagna moom la ñuy jàpp. indi Papa Alé Niang bàyyi Papa Alé Niang jàppal Papa Alé Niang 2002 2003 Mama kenn jàpp ko. 2002 2003 ma ne wu wu wu ah yow yow yow Mama Jambal Diagne dañ ko jàpp comme lu ñuy jàppee Papa Alé Niang Ablaye dafa am clémence du Diouf dafa am clemence c'est pas la même chose c'est pas même chose. le président de la république Macky Sall en 2012 moi bu jëlee ngourgui, gi du fi du journaliste Amnawala Amol. wala amul a la ñuy laaj yéen waa APR wala ah je m'excuse. je mais Amna, mom aujourd'hui bul les deux mandats il journaliste lañ un lañ lañ fi ba Serigne il est en prison non le directeur de Yor Yor, euh, euh, du journal Le Quotidien Yor Yor. Hmm. Mais il est en prison, non Aujourd'hui, Papa Legna, quoi, Diap, Bayouatko, Diapoko. Mais Papa Legnan ce qu'il est en train de faire. il a été libéré depuis. Oh, Mané, Papa Legna, c'est. Damalay Diop, ben révélation. Mais quel de ce que c'est Damalay. Damalay, le nom pour Mané. Papa Ngaï. Ok. C'est et Papa Legnan, ce qu'il est en train de faire. Deux fois, en 2012 le président de la République, Papa Lagna a même raconté euh, euh, une, anecdote une, une anecdote. le président de la République, Macky Sall, quand il était opposant à Monaco, euh, même, même, même Ahmed Aydara Zokora aussi, nek que du côté du peuple. Il ngeen dit di def ay liggéey bu am mais bu vous xam ñaata le Pape Alé a invité le président de la République Macky Sall bu opposant que ça soit à à à à 2STV à Dakar Matin bul xam ñaata mais aujourd'hui Papa Alé a lu ça dérange parce que nous ñoo sont ci nguur gi alors que le gars comme yo sank yo ya fait une ligne éditoriale mais il respecte sa ligne éditoriale nous l'on la doon def ni ñu nekk ci tey ci nguur gi bu ñu opposants Papa gens faisait le même boulot ba dit à tàccu ñu ne ko ko yow da nga ne gis ni que tu es du peuple ah, aujourd'hui il est il continue d'être aux côtés du peuple ñu qualifions ko ni moom il est membre de PASTEF wala il travaille pour Sonko <laughs> suba Souvent, dañuy wàcc Watch nekkaat ay opposants il va continuer de faire la même chose. il faut il faut il faut il faut il faut il faut arrêter. est-ce que attends que li nga xam que nous pap doxinu Pape Alé Niang mi relever exactement li ñu la école. non mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est quoi Qu'est-ce que tu as appris du journaliste d'investigation Qu'est-ce que tu as appris du journaliste d'investigation hmm. Et pourquoi quand on t'y quand tu devenais journaliste, on te dit que c'est le métier du risque Pourquoi Mais c'est la même chose. Il y a des journalistes des guerres. Les journalistes osaient aller même en temps de guerre récupérer des informations, des balles d'attaque aujourd'hui vous me dites que Papa Léyan, le mot def ce c'est pas digne d'être journaliste ah. journaliste de quoi ko def oh, oh, bépp journaliste c'est koy wasee parce que tu as un métier c'est pas parce que wax ñu journaliste du ko def Pape Alé Niang lu muy def nii lu def oh, journal rôle journaliste lay def parce que aujourd'hui ça ça n'arrange pas des autres Moi tax ñu koy Moi tu as un si aujourd'hui ça arrange les autres xam nga moom papa Alé Niang ndeysaan da koy faire il y a des journalistes qui ont choisi la facilité c'est-à-dire que dem nekk ci c'est leur droit le plus absolu hein. parce que journalistes avant tout mën nga politique pas nga far comme ce qu'ils ont fait madame Diagne c'est Yérim Seck ay Abdou Latif c'est leur problème nekkatuñu journaliste c'est des journalistes de métier est journaliste non, mais. quand... ils ont non, non, non, non, écoutez, quand le président de la République était opposant, ils étaient des journalistes qui luttaient contre le régime en place à Toi, tu étais où Quand Abdoulatif Koulibaly écrivait un livre sur Ablawat, tu étais où En tant que journaliste, toi, tu étais où Nous, on était là. Nous, on était là. Quand Suleiman Zul était en exil, de Saga Ablawad, de Saga Fumu tu où Mais quand même, euh, il, nous on était là. Il exerce plus. quand c'est Yérim Seck c'est Yérim Seck bu fi con ba ak Madiambal di des conseillers des proches du président de la République di wax n'importe quoi sur euh, des opposants le mel osman Ousmane Sonko tu où tu étais où parce que eux c'est leur travail qu'ils font à côté du président de la République d'accord mais quand il y a des journalistes qui ont choisi choisir nekk aux côtés du peuple comme Papa Alé comme il faut leur accorder loolu accepter nous nous nous bokk gis-gis dans ce pays nous am il faut que di moment nga accepter opposition il faut accepter ñeneen tamit ñu pour l'opposition voilà di pour le le le comment le peuple sénégalais c'est hier m tellement dit des hommes pastéfiens di di wax lu mais kan moko saga kan moko kan moko kan ça le nouveau type sénégalais. ken jàpp ko. maintenant si aujourd'hui c'est des des des sénégalais si c'est Pape Alé qui parle. Hmm. ñu ne non oui appel à l'insurrection oui euh, euh, comment diffusion de fausses nouvelles oui non mais écoutez un journaliste oui publier information bu wérul la mais ce n'est pas aujourd'hui le cas de Pape Aléna. parce que il a est assez outillé et informé et expérimenté Je suis d'accord avec man journalistes euh, journaliste journaliste publié ndaw yi pour Arfan publier information diffusion de fausses nouvelles mais du euh, journaliste yi Pape Alé Niang taxé de diffusion de fausses nouvelles ay nit ils sont ils sont ils sont en avance par rapport à l'information mais c'est ça la euh, man daal jàpp bu ñuy jàpp journaliste yi foog mu dàkk. en tout cas

Euh, suluwaat na li nga xam ne moo di benn audio bi nga xam ni itam moom na nga daal di tegoon loxo audio bu nu mel nag euh, faisant état que ni ka doon wax nag xam nañ ko. Euh,